assalamu alaikum abokina ka tura ma baby ta jika nan ni sai ka tura min na dala ashirin sha cikin eh? salular ta jika anta bibi laka 200 gine eh. Allah wanta gine wahid ina ina matsalar ka cikin problem anta fakir eh wani love me love me ah in ba ta turo min message kana gani na na kana gani na na kamun rakam ah bari in sa maka dan kai ma dan soyayya <laughs> Yeah Monsieur le maire. Le remix à mon son. aujourd'hui, aujourd'hui aussi, c'est un autre Habibi, Habibi. ah? Hein Habibi. Eh, le monde en <laughs> oh. J'ai Arrête,